Jor accueille son fils. Ziguinchor gouverne nouveau président Ousmane Sonko. Voici la porte d'entrée et de sortie de Ziguinchor. Ils ont tenu à venir jusqu'ici, direction Bignona. Direction Bignona, président Nous venons Nous mu ngi noonu mu ngi noonu on sort de Ziguinchor exceptionnel accueil mu ngi noonu on accélère pour Bignona on accélère pour Bignona on attendez-nous Bignona. Exceptionnel Ziguinchor, of them, aime Ziguinchor, on vous